c'est pas parce que ce que j'ai pensé c'est la réalité ou c'est possible que foofu lañ jëm man li ma ci xalaat si sama philosophie yéen mun ngeen ko ci xalaat seen philosophie yéen seen bopp yéen mun Lire c'est liiral seen bopp livre bi defal seen bopp dissertation livre bi defal seen bopp compréhension livre par rapport à vous pas par rapport à lu ñëpp di wax xam nga lan laay bañ ñu bokkati ci ma ndo lu ñëpp wax ñëpp waxandoo man boobu la sama rab di bañ li ma bëgg defar sénégalais ngeen am liberté de penser la liberté de de de vous exprimer en grosso modo pour wan leen ne ñun duñ ci dara duñ ci ay star duñ ci ay leader affaire bi Sonko rien que Sonko man Mais naa pas xoola ñi xaw fële dama ko xam comme sama mais ça ne m'intéresse pas automatiquement c'est Sonko qui m'intéresse parce que nous sommes dans une bataille de presse Le gars comprend comprendre nii ñun ñu jéem imposer loo gars dérouté le livre Sonko prône un gouvernement technocrate donc le premier ministre ne sera pas un politicien le président ne sera plus un chef de parti. Ça, c'est Ousmane Sonko. D'après ce que j'ai compris, ce qu'a expliqué Ousmane Sonko. C'est la raison pour laquelle je vous dis que Ousmane Sonko a dépassé la politique. Donc Ousmane Sonko dépasse le parti passé. Ousmane Sonko dépasse la coalition que lui, Ousmane Sonko dépasse toutes sortes de coalitions. Ce n'est plus Ousmane Sonko avec des coalitions, non. Mais ça sera Ousmane Sonko avec nous, le peuple sénégalais nous les patriotes sénégalais, nous, pas les politiques. Ousmane Sonko n'a pas parlé dans son livre d'un gouvernement dirigé par des politiciens. D'abord, le Premier ministre, ça sera un, premier, ça sera un ministre d'expertise. Le ministre de l'Intérieur, là où Ousmane Sonko a fait référence au général Nia, ou la ministre. donc savez-vous que ça ne sera pas un politicien de gérer l'intérieur du gouvernement de Ousmane Sonko. Éducation, ce qui m'intéresse le plus au Sarso. Ça va bien Éducation nationale. Il y a combien de professeurs d'université qui sont là De purs panafricanistes qui croient à l'Afrique. Mais ces professeurs d'université-là, pourquoi ne vont-ils pas gérer l'éducation nationale Et pourquoi laisser l'éducation nationale aux politiciens Ousmane Sonko dit non à ça. La justice, au lieu d'un ministère corrompu, la justice sera doté d'une direction collée à l'IGE, l'IGE, l'inspection générale d'État, qui est libre, extrêmement libre, j'en sais quelque chose. C'est Macky qui a mélangé IGE depuis qu'il a renvoyé Nafimam Keita. Sans pitié, Mme Faisal a pris son fils Fadi Keïta qu'on a Et puis nous sommes en guerre. Pour moi, tout ça, nous sommes en guerre. Je ne vais jamais me lamenter en zone de guerre. C'est normal. Projet pour le sport. Ousmane Sonko a très tôt vu le sport sénégalais. Le système est tellement faux, tellement faux. Qui est Augustin Senghor Maire à père. président de la Fédération sénégalaise de football. Quand on va le démettre, si le ministre des Sports rentre en action, c'est la FIFA. C'est la FIFA, la FIFA, la plus mauvaise fédération qui a retardé l'Afrique. C'est la FIFA qui intervient pour défendre un politicien à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Est-ce normal Est-ce normal Non. C'est la FIFA. <laughs> Donc il nous faut à la tête du sport les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, pas des politiciens. Il y a des ministères à ne pas politiser. Agriculture, environnement, économie. Ça, il y a des experts en économie. L'enseignement supérieur, les professeurs, les intellectuels, eux tous actuellement sont derrière Ousmane Sonko, qu'on le veuille ou non. C'est Ousmane Sonko qui gouverne. Moi, je ne parle pas des autres. Le projet, non, le livre, la solution, Là, je viens de comprendre le discours de Taïr d'après ce qui nous arrive actuellement. Quand le Sénégal doit être dirigé par un étranger, quand les politiciens osent investir un étranger, Taïr je te donne chapeau. Ce que tu expliquais, je n'arrivais pas à comprendre. Je me disais que, ah, peut-être que ce qu'il explique là, d'ici 50 ans, les étrangers vont avoir des enfants qui seront des Sénégalais carrément jusqu'à gouverner le Sénégal et puis mettre à l'aise leurs parents étrangers dans ce pays, ce qui fait qu'il y aura plus de cartes de séjour. Or, le Sénégal ne sera pas la Côte d'Ivoire dirigée par un Burkinabé, la Gambie dirigée par un Sénégalais, Guinée-Bissau dirigée par un Malien, <laughs> non, Afrique c'est le Sénégal dirigé par un esclave mauritanien. Il y a des dossiers, on ne peut pas rentrer là-dessus. Le Tchad dirigé par qui Un Libyen. On passe. C'est ça. <laughs> C'est ça notre vie. le projet là est là. Ousmane Sonko a expliqué là-bas. Résistance générale du, du gouvernement. Premier boulot. Chapeau ça, c'est le recensement le recensement. Savoir la population sénégalaise fait combien d'habitants, il y a combien d'étrangers au Sénégal, il y a combien, combien, combien au Sénégal. Parce qu'il y a un trop d'étrangers on ne sait plus qui est qui. Jusqu'à vouloir mettre un étranger criminel à la tête du pays. Ça, ça ne se passera pas comme ça. Sénégalais, réveillez-vous. Un étranger ne peut pas diriger le Sénégal. C'est impossible. Hum. Après recensement, regardez Ousmane Sonko là où il est. Recensement industriel, économique, éducatif, social, administratif, passé par référendum pour changer les contrats qu'ont signés Macky Sall et Ablaï Ils ont signé des contrats. Macky a signé des contrats sur le pétrole noir. fii laa leen doon wax lu loxo def loxo mën na ko dindi benn instant fait un grand baa ngi ruuf far di référendum bi 2025 la war dem référendum bi ci loolu yëpp ma leen wax dafay ñëw porte léegi nag ci changement nag ci révision des codes miniers kooku moom c'est obligatoire révision suuf si code minier bi suuf si ressources naturelles ça ça sera une révision exceptionnelle mais loo xam ne nag Ousmane Sonko va écrire les directives naka lañ koy réviser naka lañu récupérer xaliss buñu sacc naka naka naka buñu paré tek ko ci référendum général lepp lo mën ti def lo mën ti raxas bu ko jëlé réew ñu def li ma gis ci livre bi ni lu leer la lay wax bu ñu xasse dem yeen référendum ngeen voté carte gi day leer nañ ko mo fakk ñu wax ci ko nak ba paré <coughs> mu laal fo xamné ne tax nak tuba bi ragal ko Sonko ci livre bi ce que j'ai compris Ousmane Sonko néna l'Afrique doit doit avoir actuellement une sécurité unipolaire africaine ndekete looloo jay tubaab bi rek manam li mali di def ni xam nga ñom dañu lire livre bi ak ñom koy taw ñak jeune vous le cache pas xam nga légui mom on y va droit au but pour lan gay ragal sonko parce que mali livre sonko bi jeune vous le cache pas intellectuel malien dañ ko nane man sa gëm tey ay étudiants burkinabé ñoo ma ñoo ma rafraîchir la mémoire ci livre bi Sonko kenn dama ko teree wax de ay eh, Ousmane Sonko <laughs> gars yi non saa damay wax di Sonko ba damay tiit daf da ngay gis gars yi lay bëgg a waxloo keneen te man maa bañ ñu ne moom appliqué li ñoom général seen raxas nu muy demee référendum référendum moom kese. moo tax loi yi bëri tëb dugg ci constitution bi référendum moo mun tax alal gi Macky Sall sat yëpp ak Marème Faye Sall gis nga même fondation fondation bi mu dissoudre pour faire disparaître les traces référendum mën na tax ñu top Marème Faye Sall sonko yow nak wax lo ñu la yépp ndax yow moment bi mom boy wax rek ci sa wax ñuy jël pour rendi la pour gagne yow tiénal rek am ñu lay waxal livre solution bi armée bi Sonko ne booy pour lan ngay ni yéen dugg gaal ñëpp comprendre pour lan Sonko ne di duggu gal te boy yaa ngi souffrir Sénégal tey d'accord ngeen tey li xew Niger Mali Burkina Russie yónnee ay 800 om nan mu ngi dimbali te ñu am 1600 boy yo xam en une semaine repêché nañ leen si ndox bi ñuy dem gal est-ce que c'est cohérent quoi C'est que moi, je ne comprends pas. L'Afrique a besoin d'hommes pour aller en guerre. Pourtant, il y a des boys qui prennent les pirogues pour, pour venir en Europe. Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Maman de l'euro du Bob. Sonko mu ne xale yooyu pour téye leen Sénégal ñaata suuf fi nekk souffle. Il y a combien d'espace Sonko dafa gaañ tubaab de babine de Sonko pour lan système bi di ko moytu je viens de comprendre livre la solution livre la solution bi pas foofu Sonko daf